Chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum. Pour rappel, les programmes du studio Kalangou sont diffusés via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Nos contenus sont aussi accessibles sur www.studiokalangou.org et sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garantir et renforcer la sécurité foncière au Niger. La pression démographique a accentué le besoin du foncier au Niger, aussi bien en campagne que dans les villes. Et son acquisition devient de plus en plus un objet de convoitise, surtout pour les personnes nanties. Cependant, il existerait des cas d'arnaque dans la vente de terrain au Niger, ce qui a créé un climat de méfiance entre vendeurs et acquéreurs. Pour discuter de cette problématique, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Issifu Diabate, vous êtes le directeur de l'aménagement urbain et de la gestion foncière à la ville de Niamey. Bonjour Monsieur Issifu. Bonjour Madame. Nous avons aussi sur ce plateau Monsieur Abdelaziz Issaak Mossi, président directeur général de GIPS IMO. Bonjour Monsieur Issaak Mossi. Également sur ce plateau, nous avons M. Isaac Jubot, démarcheur, qui vient de créer aussi son agence immobilière. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à notre invitation également. Monsieur Diabaté, nous avons envie de savoir quel est le rôle assigné à votre service. Bien, merci madame. Merci pour l'occasion que vous nous offrez hein, de nous entretenir avec la population, de parler de nous, de ce que nous faisons. Parce qu'en réalité, le problème de fond, c'est la communication interacteur. S'il y a un problème jusqu'à présent par rapport à toutes les questions urbaines, notamment le foncier autre là, c'est parce que quelque part, il y a un déficit de communication. Donc, ma direction en tant que telle, elle a notamment pour mission la production, la vente et la gestion des parcelles elle a aussi pour attribution de promouvoir à l'aménagement urbain à l'intérieur du périmètre urbain de la ville de Niamey. Monsieur Abdelaziz à quoi consiste le travail d'un agent immobilier euh, Merci. Euh, je salue tout d'abord le personnel de Studio Kalangou. Nous protégeons de nos clients de nos acquéreurs de tout litige. En ce sens, même, nous avons créé un projet de qu'on appelle le City Pro, une plateforme de gestion foncière. Donc dans ce sens, nous avons beaucoup de concernant le foncier au Niger et nous avons plus de des décennies d'expérience dans, ce domaine. Donc voilà un peu de ce qu'on peut vous dire de nous pour le moment. Merci M. Abdelaziz Isaac. M. Issa, Jubo, expliquez-nous le rôle d'un démarcheur. D'accord. Euh, merci Madame Belkissa. Euh, merci aussi à Studio Kalangu. Donc euh, il faut noter que le démarcheur, d'abord, c'est quelqu'un qui, en fonction de sa qualité d'intermédiaire, euh, se présente euh, <clears throat> à des personnes, euh, soit physiques ou morales, en vue de les vendre une parcelle à, les amener à signer aussi un contrat. Donc, quand on dit démarcheur aussi, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est démarcheur. Ah oui, c'est pas tout le monde qui est démarcheur hein, parce que aujourd'hui, nous voyons particulièrement à Niamey beaucoup de gens euh, par manque de, de travail, si je peux me le permettre, se lance dans le domaine de l'immobilier sans savoir dans quoi est-ce qu'il se lance. Alors que euh, aujourd'hui, euh, le démarchage, comme on le dit, un démarcheur, il faut être dans le syndicat d'abord, prendre son badge, assister aux réunions et aussi payer sa cotisation. Il faut remplir les critères. Les critères, voilà, pour être démarcheur. Donc euh, après cela, il faut aussi avoir la qualité de pouvoir euh, prester euh, son produit. Voilà. Je vous invite à écouter le témoignage de Madame Hawon Nyandou, veuve, mère de six enfants. Après le décès de son défunt époux, elle a payé en 2006 trois terrains de 400 mètres carrés vers l'Osugongo à raison de 400 000 francs. Après le lotissement, elle a perdu un de ses terrains. J'ai payé mes terrains situés vers le Sougongo auprès d'un cultivateur en 2006. J'ai construit les deux et le troisième m'a été arraché. À l'achat, le propriétaire m'a délimité mes terrains que j'ai personnellement bornés. Donc au moment où je voulais construire, la mairie a commencé à borner les terrains. Les actes ayant été refusés par les propriétaires des champs. Il a fallu l'intervention du chef de village et les agents de la mairie ont promis de nous remettre nos terrains. Mais ils n'ont pas honoré l'engagement. Pendant le bornage, je me rendais chaque chaque jour à Losugungu fondant l'espoir d'avoir ma parcelle. Hélas, la mairie bornée et vendait en même temps les terrains. Le mien a été vendu à un agent de mairie qui a vendu à un autre qui a construit. J'ai porté l'affaire chez le directeur du contentieux de la ville qui a reconnu que le terrain m'appartient. Mon avocat a commencé à traiter le dossier et ce dernier m'a lâché. Nous allons revenir sur ce plateau pour demander votre avis par rapport au témoignage de madame que vous venez d'écouter, monsieur Abdelaziz que pensez-vous de ce témoignage Oui, merci madame. C'est normal parce que vous savez au Niger, euh, le problème foncier, c'est un problème que tout le monde a. C'est un problème qui est lié à la base. Si on dit à la base, c'est les coutumiers. Parce que c'est les coutumiers qui établissent les actes de euh, que la mairie puisse apposer la signature pour pouvoir même des éventuels euh, projets de lotissement, tout ça. Donc maintenant, moi, je pense que le problème foncier au Niger, c'est de voir euh, la, la chaîne d'établissement de, des actes jusqu'à titre foncier. C'est de créer vraiment euh, euh, des structures fiables qui coordonnent en temps réel. Aujourd'hui, vous, allez voir même le cadastre. il arrive à faire des transactions ou bien des, établir des fonciers sans que la mairie le sache et la mairie aussi sur le même cas. Donc voilà, c'est vraiment, je pense même que le problème foncier, c'est qui est, c'est à la base de ça, il n'y a pas une structure fiable au Niger qui permet d'authentifier réellement une acquisition. Parce que les informations ne sont pas coordonnées Donc voilà, du coup, et les, chefs, par exemple, je vous donne le cas, un chef coutumier qui a établi des, ventes à à quelqu'un, après son décès, c'est pour que celui qui va être élu, ils ont des litiges après sa réaction, il peut mettre en cause la vente du monsieur. Donc tout ça là, c'est des facteurs qui, contribuent à ces genre de cas qu'on vient de voir. Monsieur Issa Kajibo, que pensez-vous de ce témoignage que vous venez d'écouter Moi, je pense qu'il euh, y a une obligation euh, des chefs de village d'abord, parce que comme la dame l'a relaté tout à l'heure, euh, c'était c'est-à-dire la responsabilité incombe au chef du village d'abord de faire une vente coutumière et une détention coutumière à la dame. Tant que la dame a ces deux papiers, cela signifie que le terrain lui appartient. Maintenant, euh, s'il y a nécessité de mettre le terrain dans un lotissement, la dame amène les papiers qui a été euh, rédigés par le chef du village ce qui atteste que le terrain lui appartient, et elle signe le contrat avec le euh, les lotisseurs. Si c'est au niveau de la ville de, de Niamey aussi, parce que euh, le lotissement de Losgungu, c'est un ancien lotissement, c'est un lotissement de la mairie. Euh, là aussi, <coughs> elle amène les papiers qui justifient que le terrain lui appartient. Donc, nul ne peut normalement lui prendre son terrain. Mais très malheureusement, comme on a coutume de le voir, euh, tu peux donner ton terrain dans un lotissement, par exemple, à la ville de Niamey. Vous allez voir, quand on va te donner les parcelles qui t'ont dû, généralement, il y a des gens qui ne pas dans son terrain qu'ils vont avoir des, parcelles. Par exemple, ton terrain est proche du goudron, on va te donner des terrains qui sont un peu loin euh, là, si tu n'es, comme on dit, euh, si tu n'as pas un bras long pour aller réclamer ton dû. Qu'est-ce que vous appelez bras long Bras long, ça veut dire quelqu'un qui va aller s'imposer pour toi. Parce que, euh, c'est vrai, je suis dans le domaine, ça fait pas trop longtemps, mais j'ai vu plusieurs cas au niveau de la ville de Niamey, dans des anciens lotissements comme ça, tu vas voir, c'est pas c'est pas l'endroit euh, du coutumier qui lui serait remis là-bas. Pourquoi Parce que quelqu'un est allé pour demander que lui, il veut des terrains qui se trouvent dans tel endroit, alors que le terrain là, c'est pas lui. On a vu ce deux cas. Normalement, maintenant, ce qu'il faut, il faut prendre en compte, c'est que normalement, au niveau du service domanial, il devrait y avoir des défenseurs, des gens qui vont prendre euh, les pleurs des populations. Les cris des populations. vous pour pouvoir les remettre dans les droits. Puisque vous avez évoqué le service domanial, il est juste là à côté de vous, c'est le directeur de l'aménagement urbain, Monsieur Issouf Diabaté. Que pensez-vous de ce témoignage que nous venons d'écouter là Bien, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait réagir. Et quand j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle a éprouvé, en tout cas, elle fait partie de celle que j'ai aussi dans mon bureau par rapport à cette question. En réalité, moi, j'aurais aimé mhm. qu'à l'entente de ce débat-là, que nous revenions sur les notions de foncier. Définissez-nous le foncier alors. Le foncier, c'est d'abord euh, vraiment la terre et tout ce qui s'y rapporte. Donc, dans une propriété foncière. Le foncier a une définition technique mhm. et mathématique. Nous souhaitons. <laughs> Vraiment. Moi, je que c'est important parce qu'on voit que la terre. Oui. Les parcelles. la terre, ce n'est qu'un élément du foncier. Mhm. C'est d'abord des rapports rapport social. Mm-hmm. Ce rapport social a comme dénominateur commun la terre et des variables économiques, juridiques et techniques. Technique s'entend les aspects d'aménagement. Avec tout ça, il y a les facteurs politiques, parce qu'il faut des actes administratifs pour attribuer les questions-là. Donc, c'est l'ensemble des questions techniques, juridiques, économiques et sociales qui font le foncier, mais qui a comme base la terre, les relations avec la terre et les relations au sud de la terre. Donc il y a un domaine privé et un domaine public. Maintenant, par rapport au litige, c'est quoi un litige foncier Un litige foncier, c'est d'abord la rupture des rapports fonciers. Donc je viens de parler tantôt là. Rapport foncier, social, économique, juridique. Maintenant, le litige, le différent, ça, c'est la perturbation de ces rapports-là. Jusqu'à présent, ce n'est pas consommé, on peut s'entendre. Ce dont elle appelle la femme là, c'est même lié à la base. Nous avons une loi, la loi 6137, modifiée par la loi 2008, portant sur l'expropriation pour cause de public. Un aménagement suppose un aménagement public. C'est vraiment démontré. Maintenant, la loi dit ceci. En cas d'aménagement, nul individu, nulle collectivité, nulle communauté n'est tenu de céder son champ moyennant une juste mais préalable indemnisation juste et préalable. il faut d'abord que ça soit vraiment juste. La compensation, là, pour la perte de son terrain, est aussi préalable. Donc, si on respectait les procédures, il n'y a même pas de problème. Avant que la, la commence à vendre un terrain, il faudrait d'abord donner au coutumier sa part. Et une part juste. Maintenant, quels sont les acteurs Les acteurs, oui. Oui, il y a d'abord eux, là, les populations qui achètent les terrains en zone non lotie. D'abord, la loi interdit de faire des aménagements non lotis à l'intérieur d'un périmètre urbain. Ça, c'est le point de départ. En ville, on n'a même pas fait de référence non, non Il n'y a pas de ça. c'est clair. Hein? Quand vous réformez la dernière loi, là, 2017, portant français fondamental de la urbaine, là, en ville, on n'a même pas fait d'instrument informel. C'est interdit. Même le maire doit s'opposer et interdire que des gens par eux-mêmes produisent, des terrains et vendent des terrains. Mais les, terrains leur appartiennent pourtant. Oui, mais les terrains leur appartiennent, mais loi impose un cadre pour ça. Les terrains leur appartiennent, hein, c'est clair. Mais pour les aménager en parcelles privatives, il y a des procédures que la loi est bien définie. Et que dit ces procédures D'abord, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un aménagement urbain que la ville initie. Et pour que la ville même soit propriétaire d'un aménagement urbain, il faut d'abord des préalables. Même la mairie, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle une délibération du conseil qui donne mandat au maire de faire un aménagement urbain, de faire le Il faut d'abord que le conseil donne au maire le pouvoir de le faire. C'est ce qu'on appelle délibération. Après cela, on doit convoquer localement une commission d'urbanisme pour prendre en compte les besoins des populations en termes d'équipement d'infrastructure. Mais pourtant, dans son témoignage, la dame a dit que, selon ce qu'elle a confirmé, le directeur contentieux de la mairie même a reconnu que le terrain lui appartient. Oui, moi je ne peux pas apprécier, n'est-ce pas, euh, une telle affirmation, alors que moi je n'ai pas le support devant moi. Ce que moi je vais faire, je demande à une situation, un état de lieu d'avoir la pièce signée par le chef de village, la superficie de son terrain et le coordonnée XY de son terrain pour avoir la superficie et en quoi est-ce qu'elle a été touchée par le lotissement. Et dans tous les cas, si tu as trois parcelles de 400 mètres carrés, quand on fait un aménagement, tu ne peux avoir que la moitié, tu ne peux avoir les trois parcelles. La dame, elle confirme qu'elle a, sur les trois, elle a reçu les deux parcelles. Mais elle a eu déjà tout. Elle ne peut pas avoir les trois. C'est ce que je vous dis. Quand on fait un aménagement, quand tu as un champ, qu'elles soient aménagement public ou privé, on discute. Il y a une part réservée aux parcelles, ce qu'on appelle l'habitat, une part réservée à la voirie et une part réservée aux équipements. Et la loi on dit que l'habitat ne doit pas déparer 55%. L'habitat, l'espace de euh, l'habitat ne doit pas déparer 55%. Les équipements, 15 à 20%, et l'autre là, c'est la voirie. Donc, si vous avez 100 parcelles produites dans votre champ, on discute. Vous pouvez avoir 50-50, avec euh, l'État ou la mairie. Que ce soit le cas. Que ce soit la mairie ou un promoteur privé, il discute avec le promoteur coutumier. La loi que je viens de dénoncer elle n'a pas parlé d'un tout. Elle a juste parlé d'une juste et préalable indemnisation. Il n'y a pas un, un Qui... Donc c'est un rapport de force entre celui qui a les champs et le promoteur, qui peut être l'État ou un privé. Ceux sur qui sont entendus là, chacun est train de faire le, respecter, moyennant un PV de dédommagement. Quand tu as trois champs, de 400 mètres carrés, ça fait 1200 mètres carrés. Si on aménage votre taux, ça ne peut être que 50 à 60%, ça dépend de ce que vous avez. Mais ne pas avoir toutes les trois personnes, parce qu'elle doit contribuer elle aussi à la voirie, la voie d'accès, aux équipements, les écoles et la santé. Donc, elle ne peut avoir l'intégralité de ces trois personnes. elle ne peut avoir que la moitié ou le tiers ou le diète. Ça dépend de ce sur quoi ils sont entendus, mais jamais le tout. Donc ça, c'est parti d'un cas où euh, le terrain n'a pas été loti, n'est-ce pas Ça, c'est un terrain qui n'était pas loti, où elle ah. avait droit à Mais quand c'est loti, là, il faut qu'elle perde une partie. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut acheter un terrain en toute sécurité ici à Niamey, monsieur Diabati Bon, ça, vraiment, ça appelle euh, au jeu des acteurs. Hein. Il y avait tantôt, a toute une procédure à l'étude. Mm-hmm. Et je vais vous faire le Si vous, monsieur, vous comprendrez que si chacun respecte ses propres engagements-là, même s'il y a des problèmes là, ils vont être minimes. Au niveau même de la collectivité ou de l'État, il fallait d'abord, que le conseil municipal délibère sur l'opportunité de l'autre de ne pas l'autir. Il faut que le conseil donne un mandat au maire de l'autre de ne pas l'autir. Et c'est une délibération qui est prise au conseil municipal. Une délibération. Tout le conseil va le maire, de faire un lotissement. Ça, c'est le point de départ. Le second, il faut réunir la commission locale d'urbanisme, qui est une essence technique qui va dire les besoins en espace et en équipement. Quand tout cela est fait, on montre a un dossier. Ce dossier technique-là, composé de plusieurs pièces, le réseau de voirie, le réseau d'électricité, le réseau de voirie, d'équipement et de téléphone, tout ça là, le plan de situation, maintenant plus maintenant un rapport technique qui va dire pourquoi on fait le donc, euh, nous allons revenir euh, vers vous. Hein. merci bien. Monsieur Abdelaziz Isaac Mossi, comment se portent les affaires dans le domaine immobilier aujourd'hui En tant qu'un promoteur immobilier, en tant qu'un expert consultant euh, en immobilier aussi au Niger, donc je pense que c'est un truc que M. Diabaté vient de l'évoquer, c'est la communication qui manque. Et les gens aujourd'hui, on sait qu'ils aiment beaucoup la facilité vous savez qu'il y a des institutions de que vous abordez, vous pouvez avoir le Donc les gens aiment la facilité. Regarde, je vous donne l'exemple. Comment on peut vendre un acte de 400 mètres carrés à 50 000 francs 400 mètres carrés Oui, exemple, je vous donne. Un exemple. Ou bien un, îlot complet, on le vend à 100 000 francs. Si la personne est consciente, à combien la mairie a établi l'acte de cession, à combien euh, on a fait le bornage, à combien y on a dédommagé les coutumiers, donc vous voyez, des fois, c'est les gens même qui créent leur propre situation. Dans les années antérieures, les gens le faisaient. Ils payaient des terrains à 50, leur euh, demandaient de venir verser euh, maintenant une somme à la mairie, ils viennent verser. Euh, ça, vous, parlez le moment où même la, la dévélation n'est pas même née. C'est les années où le Niger avait plus de 5 millions d'habitants. Là, tu peux avoir un terrain de 1000 mètres carrés à 500 francs. Mhm. Mais ça, c'est le temps ancien que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, là, nous voulons que les gens vivent la réalité des choses qui se passent. La terre a pris de, la, valeur, avec la pression démographique. Merci, aujourd'hui, nous sommes plus de 20 millions d'habitants au Niger. Et maintenant, tous les problèmes fonciers se trouvent dans les, dans les communes urbaines. Là où tout le monde veut accès à l'électricité, à l'eau. Aujourd'hui, moi, je parle le cas du Niger. Et parce que j'ai fait la Tunisie, je travaille avec des experts dans le domaine foncier et de l'immobilier. Donc on a fait des études dans laquelle on a créé une plateforme de gestion dans laquelle nous allons gérer le foncier. Mais euh, le choix a été fait pour le Niger. donc ils ont même investi, on a installé même des équipements euh, sur lesquels nous allons essayer de collaborer avec les partenaires euh, de l'État ici d'Embrema, à savoir la mairie, dont M. Diapaté est à la tête. Donc il faut passer par l'archivage. Donc nous, nous avons donné plus d'accent sur la sécurisation des biens fonciers d'abord. La sécurisation se passe par des canaux de d'archiver les documents qui sont déjà en, amont. Parce que tu vas voir des gens, par exemple, merci beaucoup. comment, se portent les transactions à l'état actuel, la, vente, l'achat, comment ça se passe à votre niveau en tant que démarcheur Oui, euh, nous, à notre niveau, on peut dire que de façon générale, tout se porte bien. Et à moins le, le marché qui est un peu bas pour le moment, c'est un peu lent. Mais il faut noter que pour acheter un terrain, le démarcheur, lui, euh, a l'obligation d'amener le client sur le terrain, lui montrer le terrain qu'il est en train de, vendre d'abord. vérifier. Amener avec le client l'acte à la mairie pour vérification. Après, le client aussi doit prendre son topographe pour aller lui-même revérifier, si, voir si c'est réellement l'endroit que le démarcheur lui a montré d'abord. Euh, après, on va procéder à la vente. C'est des étapes à suivre. C'est des, étapes à suivre qui, qui peuvent vraiment empêcher à ce qu'il y ait des arnaques. Malgré ça, il y a toujours des arnaques. Monsieur de Diabaté, quels sont les risques qui, existent dans le processus d'achat d'un terrain aujourd'hui le risque, vous parlez de risque, le risque matière, il est là à 100% une fois qu'on n'est pas dans la légalité. Hein. Moi, je pense que l'ensemble des acteurs doivent se conformer à la légalité, y compris les communes, y compris l'État. Pour faire le testament, il faut avoir une approbation, il faut un arrêté du ministère. Et qui a dit dans quelles conditions on doit donner un arrêté. Donc, si tout le monde fait ces procédures-là, on aura moins de problèmes. Et quand vous remarquerez, quand un terrain est d'abord, on a un arrêté de lotissement, une autorisation, c'est l'État qui fait l'immatriculation des îlots. Ce n'est pas le promoteur qui fait l'immatriculation. Et quand vous regardez maintenant, après même l'arrêté, c'est celui qui a l'arrêté là qui va se retrouver dans un compromis de le par Et ça, c'est un privilège de l'État, pas d'un individu. Pourtant, il y a la présence des agences immobilières. Qu'est-ce qui explique cela Non, ça, ça dépasse ce niveau-là. D'abord, au niveau, au niveau État l'État, c'est lui qui a les terrains. C'est là qu'elle demande. Ça, c'est vraiment euh, un privé de l'État d'avoir donné une autorisation de lotir et donner les numéros des parcelles. Quand l'État donne les numéros des parcelles, là, elle a ce qu'on appelle un champ immatriculé. Et mieux, avant même de faire l'arrêté, il est nécessaire que l'ensemble du champ à lotir soit d'abord immatriculé titre foncier. Quand vous regardez, personne de le fait. Mais euh, pourquoi ils ne le font pas C'est pour à avoir ici là, les amis de l'État aussi ici avec nous. Si chacun jouait son rôle, on ne se réveillerait pas dans le problème. Il faut vraiment être foncier maire. Un foncier maire là, ça veut dire que le terrain même à lui, il est direct de tout problème. Tant que c'est des champs morceaux là, les problèmes sont dedans. Parce qu'au sein d'une famille, quelqu'un peut, à lui seul, tricher aller signer comme ça avec un promoteur privé par rapport aux champs. Alors que c'est la famille qui a, qui a le champ, c'est pas un seul individu. Moi, ça fait appel de mes litiges quotidiens. Vous recevez ce genre euh, de litige Parmi, au sein de la famille, oh, quelqu'un ben, se décide à morceler un terrain. Et par rapport à ça, comment vous faites Bon, normalement, selon les règles du droit, ça c'est nul. Hein. C'est nul. Parce le terrain appartient pas à une seule personne, mais à toute une famille. À qui le risque alors Le risque de celui qui a, qui a triché. Il a triché sans le savoir, hein. il, a, ah, il a payé ah, sans non, le non, savoir. Non, non, ah, pas, celui qui a triché, non. Le membre de la famille qui a, qui a triché, qui allait prendre le champ familial pour le signer une convention avec quelqu'un d'autre. Mm. Celui, le vrai, le, vrai fautif. Est-ce que vous comprenez oui, et, en réalité, c'est parce que, même parce que, il y a une procédure. Si vraiment j'avais le temps, il y a les procédures. C'est compliqué. Je vais vite à euh, le, faire le, compléter. le, raccourci. les Regarde, pour faire un lotissement, on demande le titre maire. Le titre maire demande de faire une publication de trois mois. Ah publication, ça permet aujourd'hui, s'il y a des constateurs qui vont que ça peut Donc, déjà, de là, le, le logement sera bloqué. Voilà. C'est voir comment un logement qu'on a fait depuis 10 ans, mhm. ça a été publié, mm -hmm. quelqu'un soulève de l'ombre, il va contester ce poulet. Mhm. Et maintenant, comme il a de l'appui quelque part, mhm. on met ce, ce terrain à l'étude ou bien commencer à, enlever les bornes. Au fait, le problème, euh, le problème de l'étude du foncier, c'est énorme. Mm-hmm. On ne peut pas les citer aujourd'hui. Ah, c'est une énorme. Mais euh, parce qu'au fait, c'est des acteurs qui sont concernés. Il y a l'implication de l'État, comme il a dit. Mm-hmm. Il y a aussi la responsabilité des gens qui aiment la facilité. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui, sont, qui ont profité de ça pour faire de, faux usages, de faux escroqueries. Regarde, il dit, même au sein du ministère du cadastre, qui sont censés établir des titres fonciers, tu vas trouver des titres fonciers doublants. Mais qu'est-ce qui explique cela Maintenant, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, ce qui explique cela, parce que c'est manque de matériel adéquat, pour mettre en place à l'État, comme nous voulons, comme le projet de CityPro qu'on a lancé, il faut la technologie, il faut la numérisation, il faut la biométrie. Aujourd'hui, il y a des accès aujourd'hui. Parlez-nous de votre projet CityPro. oui, le projet CityPro, on l'avait lancé le 18 mars euh, passé à Mamad Gandhi. C'est une plateforme qu'on a développée dans le cadre de la gestion foncière. C'est une première au Niger, aussi Même en Afrique. Parce qu'on l'avait fait avec des partenaires techniques et financiers. Euh, dans le cadre de mettre fin aux problèmes fonciers et pas de mettre fin, de minimiser les risques, comme a dit le grand frère On a créé cette plateforme dans le, but de créer une, euh, une plateforme de gestion dans laquelle tous les partenaires techniques et financiers, à savoir l'État ici de Mbrema, et qui est le cadastre et la mairie, les, notaires, la justice. Je vous donne un exemple. La mairie peut, euh, la justice peut hypothéquer un bien, car pour litige de famille, les conflits familiaux là, il peut hypothéquer ce bien-là. Quelqu'un de la famille peut prendre les références, partir faire une assistance de perte chez un notaire, il part, il fait un duplicata à la mairie. Et la mairie est innocent parce qu'il a un papier du notaire agréé qui prouve que l'acte a disparu et la mairie va établir l'acte de cession. Pourtant, l'acte a été au niveau de la justice. Ils prennent un duplicata. Ce duplicata, même le gars peut l'utiliser au niveau des banques pour prendre des cautions bancaires. Vous voyez donc déjà, le a déjà commencé de là. Donc tous ces formalité qu'il fait, c'est légal. Mais c'est manque d'information et de coordination qui fait ça. Donc, disons que ces pro n'acceptent jamais un terrain de acquéreurs. Et dans le côté de la topographie, on a des drones et des satellites qui permettent de, de, de la topographie en terre, en réelle. C'est un peu compliqué pour vous parce que c'est un, domaine tellement technique. C'est technique, mais les auditeurs et les, spectateurs ont besoin de savoir. Euh, parce que, c'est technique. Aujourd'hui, j'ai le comble au Niger, c'est qui fait mal, quelqu'un qui a un terrain au niveau de. Par exemple, je prends dans le département de Hamdallah. Prends le terrain, il l'amène à la mairie de Hamdallah et fait un lotissement. C'est même lotissement, quelqu'un peut le prendre pour l'amener à la communauté urbaine pour faire un lotissement. Quelqu'un le prend, il l'amène à Karama pour faire un lotissement. Le même terrain. Vous comprenez Là où les litiges même sont en train de naître. Imaginez, parce que les gens pensent à ce que 5 ans, 10 ans après, il n'y aura pas des habitations, la personne va. Donc, il peut que la ville est en train d'exploser. Avec la pression démographique. Donc maintenant, avec notre projet CETIPRO, on a des satellites drones qui permettraient, même si tu, prends une coordonnée géographique, tu faire un lotissement, ça ne passe pas. Parce qu'on va dire que ce terrain a déjà levé au nom d'un lotissement. Même si c'est à, si Maradi, tu veux le faire à Niamey, c'est impossible. Donc CETIPRO, c'est pleinement biométrie et informatisé. Donc raison de laquelle donc, on a, dans notre dernier passage au niveau de Mohamed Gandhi, on a appelé à tous les partenaires techniques financiers et qui veulent beaucoup se renseigner sur notre projet, nos équipements qu'on a. Déjà, on a investi plus de 1 milliard et quelques, parce qu'on a, des pylônes qui peuvent interconnecter toutes les sites concernant La mairie, le cadastre, créer un seul canal de travail qui permettra de, de cette de fausses informations. Donc, je profite de ce micro pour faire appel à tous les Nigériens qui concernent ce domaine, qui sont soucieux de ce domaine, de venir, en travailler ensemble, parce que c'est un projet de grande euh, envergure nationale et sociale parce que c'est on, a voulu l'expérimenter en Tunis, mais avec notre euh, vraiment courage et la chance, on, l'a amené au Niger. Donc je pense bien que c'est un travail, pas pour euh, City Pro, mais c'est pour le Niger. Donc voilà un peu de ce qu'on a. Donc les solutions n'y manquent pas. Il faut juste l'implication de tous les partenaires techniques et financiers pour mettre à jour ce projet qu'on voulait mettre. Merci, Monsieur Abdelaziz Isaac. Monsieur Issac, qu'est-ce que vous pensez de ce projet qu'il vient de proposer euh, donc c'est vraiment un projet salutaire, un projet que euh, normalement les avant même qu'un particulier le pense, c'est toi même qui doit l'embrasser d'abord. Mais heureusement pour nous, on a des jeunes qui sont vraiment innovants et qui ont le souci. Euh, moi, je, je l'encourage beaucoup et je suis prêt vraiment à travailler avec eux si possible l'année. Donc, euh, comme il a dit, c'est une première fois qu'on entend, ou bien des jeunes, des gens qui sont vraiment prêts à éradiquer ce fléau. Si vous le constatez, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des TF, des titres français, Vous allez voir des titres français qui sont dans des titres, des Parce que actuellement, nous, on a, on a, on a un litige euh, qui a été transféré maintenant au niveau de, de, de la Berry là. Ça a été ici à Niamey pendant 5 à 6 ans. Après, ils ont transféré le dossier à Telabéry. C'est un terrain qu'on avait titré en 2009. Et en 2012, à notre grande surprise, ceux qui nous ont vendu le terrain ont divisé le terrain en deux. Comme c'est un terrain de 10 hectares, ils ont vendu les 5 hectares à une dame. La dame aussi, elle était partie au niveau du cadastre pour titrer le terrain en 2012, ce qui fait deux titres dans un même terrain. Donc, ça aurait été qu'il y avait des coordonnées géolocalisation qui étaient là au niveau du cadastre. Le problème, là ne, va pas se venir. Donc, euh, là, vraiment, c'est un problème crucial auquel euh, le, projet de, le, vraiment essaie d'amener une solution que nous souhaitons vraiment avoir un temps record, vraiment. Parce que euh, nous-mêmes qui sommes les, les, démarcheurs aujourd'hui, on a des difficultés à convaincre les clients souvent, à nous faire confiance pour acheter un terrain parce qu'ils vont dire que, ah, je peux acheter le terrain, demain on va dire que le terrain appartient à telle personne. Pourquoi parce que il euh, n'y a pas une régularisation. les, au fait, les clients sont des hein, au niveau des lotisseurs, des, lotissements d'abord, parce que les lotisseurs, comme le grand frère l'a évoqué tout à l'heure, vous allez voir la personne, au lieu d'attendre le conseil des familles pour mettre le champ dans le lotissement, aller chercher le, le TF ils vont aller shop shop pour faire le, plan cadastral. Euh, et. C'est quoi le TF On parle de TF mère si on a un projet de lotissement. On dit de, c'est de faire un titre foncier pour l'ensemble du, lotissement. Ça permettra aujourd'hui d'avoir euh, des, des, ce qu'on appelle des mutations des actes pour que les actes soient titrables. Parce qu'il y a, le lotissement, on dit que c'est pas titrable parce qu'ils n'ont pas de titre mère. Parce que il faut que le lotissement, tout ça doit être euh, un peu. Donc, euh, parce que moi, je pense bien que le problème du chef de famille, c'est même un peu. C'est moi, je peux, c'est des problèmes minimes, mais les problèmes qui sont tellement récurrents, c'est au niveau de lotissement, l'attribution des terres et l'octroyation des arrêtés. Tu peux avoir un seul, un seul euh, champ qui a plus de 5 arrêtés de communes différentes et même des, régions différentes. quand tu prends par exemple Télabéry et ils n'ont pas les mêmes euh, statuts juridiques. Donc voilà, c'est des problèmes qu'il faut vraiment. Au fait, ce qui amène ça, c'est normal parce que l'État n'a pas les moyens nécessaires parce qu'aujourd'hui, le monde a avancé. La seule façon de gérer ce problème, c'est de mettre la technologie en place. Et c'est la seule moyen d'éradiquer ce problème. Aujourd'hui, je pense bien que c'est ça qu'on est en train de dire parce que le débat du foncier là, on peut faire deux mois. Pour ceux qui nous prennent en cours, le forum d'aujourd'hui est axé sur comment garantir et renforcer la sécurité foncière au Niger. Et nous sommes dans ce studio en compagnie de M. Issouf Diabaté, de M. Abdelaziz Issak Moussi et de M. Issak Issouf Diabaté. Vous voulez intervenir tout à l'heure par rapport. Oui. Ah. C'est un truc qu'on ne peut pas économiser aujourd'hui. On peut juste penser, On va essayer de En tout cas, on a le souci. Mais quand je salue vraiment les solutions innovantes de GIFs, que je venais de découvrir. Euh, c'est vraiment très bien. Je pense que si les acteurs peuvent marcher ensemble, on fera du miracle. Je salue aussi vraiment le courage et la bonne volonté de ce nouveau corps de métier qui est en train de se professionnaliser. Mais arrêtez, hein, pour parler des solutions foncières, il y a toute, une procédure, des étapes. Il faut d'abord ce qu'on appelle un retour à l'orthodoxie. C'est-à-dire que Chacun connaît son travail et le fait, et le faire bien. Il y a d'abord le ministère qui la tutelle, il y a les collectivités territoriales, il y a les promoteurs immobiliers, il y a eux les démarcheurs, il y a les cabinets de géomètres, de topographes et de notaires. Pour ce débat, on devait avoir à la fois des notaires ici, des géomètres experts, l'État aussi. Nous sommes que quelques éléments de tout un système. En tout la prochaine fois, je vais vous aider, on va le convoquer ensemble. Il est absolument impératif qu'avant de donner un arrêté, qu'on ait un titre foncier maire pour un lotissement. L'avantage, c'est que ça va réduire en amont les litiges. Pour faire un titre foncier, d'abord, il faudrait qu'il y ait une enquête commodo incommodo. C'est ça. Ça dire que l'ensemble de ceux qui ont des champs là vont venir sur le terrain le jour là. Ils doivent tous être convoqués sur le, terrain. Chacun va montrer ses limites. Tout à l'heure, la dame qu'on a écoutée tout à l'heure, elle dit qu'elle était sur le terrain durant tout le temps qu'on a pris pour. Euh, euh, faire lotir le, le, le, terrain. elle a passé du temps, à chaque fois elle est toujours présente. Elle dit elle part du matin au soir. Hmm. Pourtant, elle n'a pas eu gain de cause. je ne voulais pas en parler. C'est un cas général. J'ai ma, propre cousine qui a été victime de ça, <laughs> malheureusement. quest Ce qui s'est passé en réalité, quand on fait un aménagement, vous avez noté que ça, ce n'est même pas la mission du chef de village de venir. Le monsieur, l'aménagement devait se prendre à la mairie. C'est la mairie qui a initié un lotissement l'armée devait d'abord savoir quelles sont les propriétés qui grèvent le terrain là. On doit faire d'abord un état de lieu. Qui ont les champs là-bas Qui ont les personnes là-bas Fait d'abord la situation. Mais sur cette base-là, faire maintenant un plan de recollement, un plan d'aménagement. Où on va sortir les voies d'abord, qui sont prioritaires, hein. les équipements, maintenant l'habitat. En principe, tout celui qui a un champ ne doit pas perdre de champ. Hmm. Mais tu ne peux pas avoir l'intégralité, comme je l'avais dit. Si tu as trois parcelles, tu peux avoir une et demie contribuer à l'aménagement global du terrain. Donc, euh, le temps est contre nous. Si vous avez des mots, des conseils par rapport à, cette situation pour sécuriser le foncier. Monsieur Abdelaziz Issaka, vous avez, c'est vrai, innové avec euh, le projet GIPS IMO. Des conseils euh, par rapport à la sécurisation foncière pour éviter les conflits fonciers Oui, moi, à mon avis personnel, moi, je pense que la seule solution, c'est d'essayer de développer avec la participation de tous les partenaires techniques et financiers, de mettre euh, déjà le projet pourrait à jour. On a développé une plateforme que déjà ça une partie a été développée en Croatie, une autre en Chine. C'est une plateforme globale qui toutes les domaines, toutes les structures concernant les notaires, les huissiers, euh, la mairie, le cadastre, et les coutumiers, ils sont affiliés, chacun à son espace là où il devrait agir. Tous les acteurs fonciers. par exemple, je vous donne la plateforme, par exemple, quand tu as un notaire, il veut établir une vente, dès qu'il tape dans ses pro, il va voir que ce terrain est litigé, ou bien soit il a été confisqué à la banque, ou bien soit il est à la justice. Ça, Pro peut le faire. L'avantage de City Pro, c'est seulement au niveau de Niamey ou bien... Non, Pro, actuellement, nous sommes, euh, nous sommes représentés partout au Niger. On a un représentant au niveau de Bruxelles on a un représentant en Tunis et on a euh, au Canada et euh, là-bas qu'on appelle ça euh, en Turquie. Donc on a des représentants en tant que mais on a, nous voulons vraiment commencer par le Niger. Et donc tout ça, grâce à nous, GIPS, on a, on a vraiment négocié cette. donc ils ont investi on a mis les équipements sont là, on est en train de tester. Donc je pense même que c'est ça que j'ai dit, comme euh, c'est un avantage qui déjà euh, on a investi, l'État doit s'impliquer. Et déjà on, est en pour parler avec euh, les autorités nigériennes, à savoir même à certains partenaires ils sont vraiment, euh, le jour du lancement, vous avez vu, il quelques euh, autorités qui, étaient présents à notre lancement. Donc je pense bien que le projet, euh, on peut dire qu'on est à 80% de le mettre à jour. Je sais qu'il manque le 20%, c'est la participation de M. Diabatier <laughs> et, les autres pour, pour mettre ça à jour, Inch'Allah. bon courage et bon vent à Gips Pro. Monsieur Abdel, Monsieur Issa Kajibo. Donc, ce que moi je peux ajouter, c'est qu'il faut une sensibilisation à la base. C'est d'essayer de sensibiliser les coutumiers ou bien la population tout entière d'abord. C'est quoi le foncier mm. Comment sécuriser son terrain Et comment aussi affronter soit la mairie ou les lotisseurs privés Parce que si le coutumier connaissait réellement euh, que c'est que le foncier, moi je pense que euh, il saura comment se préparer mhm. euh, pour éviter tout éventuel problème. Et l'État aussi, euh, normalement, l'État aussi doit prendre tout en charge du foncier, que ce soit au niveau urbain que coutumière accompagner par exemple les chefs de village à pouvoir euh, informatiser les domaines euh, fonciers. Par exemple, dans chaque village, c'est les chefs du village euh, qui établissent les ventes et les détentions coutumières. Maintenant, si c'est si c'est informatisé, c'est si c'est informatisé dès qu'il y a un litige, le chef du village va juste instruire ses collaborateurs à vérifier le terrain, c'est dans tel ou tel domaine. Et ils vont essayer de rencontrer qui des doigts, des pour que le problème soit résolu. Merci, M. Issaka Jubo. Monsieur Issif Diabaté, directeur de l'aménagement urbain. Quelles sont les solutions pour euh, sécuriser le foncier Bon, merci bien. Solution de cela, ça va être un peu difficile. Cependant, on peut quand même donner des idées. Quelqu'un l'a déjà évoqué, notamment mon périphère là. Il a mhm. de numérisation. Il faut vraiment numériser les actes fonciers et les procédures. Mais en plus, il faut que chacun joue son rôle. Qui doit numériser l'État ou bien tous les acteurs doivent. Tout le monde. Tout le monde, c'est une affaire commune. Et aux usagers de se référer à chaque fois avant de poser une acte là vers les spécialistes faut aller chez un notaire, c'est un conseil. Il faut aller ah. à la mairie, c'est un conseil. Mais quand vous êtes un terrain entre vous, muros là, ça va plus des problèmes. Vous <laughs> être, euh, acheter un terrain, de quoi j'ai besoin vous avez besoin d'aller chez un notaire ou aller à la mairie qui a pris les là pour vérifier l'authenticité de l'acte de cession. Comme ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Hein. Il faut, forcément, il faut visiter le terrain, aller ah, ah, l'acte à la mairie pour mm. vérifier mm. l'authenticité de l'acte du lotissement. Mm-hmm. Après aussi prendre son topographe aussi pour aller vérifier après euh, aller chez le notaire pour établir la vente. Oui, oui. Je profite aussi de deux minutes. Yves Simo, à son sein, a créé la première agence euh, d'assurance immobilière au Niger. Mm. On a un cachet de certification des actes de cession. Mm. Parce que nous, chez nous, nous faisons de nos clients des, clients définitifs et, fiables. Mm. Pour que chez nous, un client devienne définitif, il faut qu'il soit à l'abri de tout litige. Parce que nous, quand on vient. À l'abri De tout litige. Uh-huh. Donc, nous, quand on vend un bien immobilier à un client, le monde du litige, on le restitue son argent. Après avoir géré le litige, le client a le choix de reprendre ou ne pas prendre le bien. Donc, c'est-à-dire que nous, on a une station déjà, on a créé l'agence là. Donc, je peux dire que c'est la première agence d'assurance mobilière au Niger. Oui, monsieur Issouf Diabaté. Donc, j'ai dit, il faut que chacun fasse bien son rôle Chacun, et puis l'usager doit se référer vraiment aux vraies sources mhm. pour identifier son acte de profit avant de faire la vente. Deuxièmement, il parle de topographe. En réalité, la loi au Niger, on a créé ce qu'on appelle un ordre des géomètres. Mhm. Il n'y a que eux là qui sont habilités à poser ces actes-là. C'est pas n'importe quel topographe. Eux, ils sont assermentés. Et quand il y a un litige, eux, ils vont être responsables. Mais quand vous rencontrez un amateur comme topographe, Comment est-ce qu'on peut reconnaître un professionnel topographe Il y a au Niger, les adresses, quand vous venez la mairie, moi j'ai la, la, liste. Donc à chaque fois, il faut se référer à la mairie. Il faut, aller au cadastre ou à la mairie. Donc de ne plus payer les terrains, les parcelles ou bien les champs hein, en ville ou bien sur euh, Facebook. Mais pour acheter le terrain, il ne faut pas un géomètre. Il faut parce que tu peux acheter le terrain, mais avant de, procéder à la vente, tu fais appel à espère comme il a dit, mm, mm. à la mairie ou bien au cadastre pour monter l'autre mm. site C'est juste pour compléter. Et normalement, euh, toute entreprise euh, immobilière euh, qui est dans le lotissement doit avoir son topographe à moment ah, vraiment, normalement. Donc, c'est pourquoi nous, s'il y a nécessité d'aller visiter un terrain, on va voir le lotissement, c'est que l'entreprise. On va se référer à l'entreprise. Vous avez un topographe qui peut nous montrer l'endroit mhm. Oui. Là, on va partir avec le topographe pour voir les terrains. Maintenant, si nous, nous avons fait visiter nos clients, là, on va laisser aux clients euh, la responsabilité d'aller voir quel topographe lui convienne pour mhm. aller faire les visites. Maintenant, pour les démarcheurs, comme mhm. je vous ai dit, pour les démarcheurs il y a un syndicat qui est là. Il y a le syndicat eh, national des agents immobiliers du Niger qui est là, qui a été créé en 2013. Oui. Même Ils si sont dans le, syndicat. Il y a un syndicat spécial pour les démarcheurs. est Et, exactement, il faut aussi avoir un topographe pour vérifier la viabilité ou bien la véracité du terrain. terrain. Auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangou, nous sommes au terme du forum de ce soir axé sur Comment garantir et renforcer la sécurité foncière au Niger Nous étions en compagnie de M. Issifi Diabate, il est le directeur de l'aménagement urbain et de la gestion foncière à la ville de Niamey. Nous étions également en compagnie de M. Abdelaziz Isaac Moussi, président directeur général de IMO. Et également, nous étions en compagnie de M. Isaac Joubo, démarcheur qui vient aussi de créer son agence immobilière. À la réalisation, c'est Mustapha Ayouba à la technique, c'est Issa Lawali. Merci et au plaisir de nous recevoir chez vous pour un prochain rendez-vous du forum du studio Kalangu.